soit un taux de positivité de 6,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 64 cas contacts suivis par nos services, 19 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Parcelle Asseni 2 cas, Grand Yoff 2 cas, Djamnyadjo 1 cas, Fasmbao 3 k Gejeway 2 k Diamaguène 1 k Kër 1 k Yumble 2 k Richard Toll 1 k et enfin Touba 4 k 80 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 22 cas graves sont, pris en charge dans nos services de réanimation. Quatre nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 14 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5173 cas ont été déclarés positifs, dont 3424 guéris, 64 décédés et donc 1684 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle son exhortation à la population pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Kiwalof. wolof altine 15 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale Jotne, résultat examen virologique yi may lim Ki juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ci positif Manam. juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci fas Mbao ñaar ci Géejawaay benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci Yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci tuba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar ci suñu malade nous ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale ci sama baat mu ngi jaale Qui njaboot ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk ba senegal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti cas yoo xam ne cas positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom benn fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakken mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juroom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellu di woo askan wi di ñaax askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm